auditeurs et auditrices du studio Kalangou, bonjour à vous. Merci de rester des nôtres pour les prochaines 60 minutes pour vous informer, mais aussi pour vous divertir sur le dernier numéro de la semaine de l'émission Le Niger sur Kalangou. Je suis Rukai Top Draman avec moi aujourd'hui, Mariam Adey. Bonjour Mariam. Bonjour Rukaya, comment vas-tu Très bien Mariam, fidèles auditeurs, pour le programme d'aujourd'hui, nous vous proposons d'abord le flash d'information de la musique du territoire rien que pour votre divertissement, une revue de presse de la culture linguistique. Un rendez-vous avec l'équipe femme du studio Kalangu pour la rubrique Lotti dispora sport de des régions et aujourd'hui notre invitée du jour est Mariam Mawazir, actrice comédienne. Mariam, nous allons saluer l'équipe qui nous accompagne. La technique est assurée par Seine Isaka et l'édition par Adama Dawaki. Chers auditeurs, l'émission Le Niger sur Kalangou, c'est maintenant. Comme annoncé, fidèles auditeurs, nous allons ouvrir cette émission par le flash d'information et nous sommes d'ailleurs avec Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Bonjour euh, Rukaito Abdraman, bonjour euh, Mariama Ade. Le flash d'information à présent. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a dénoncé hier 3 août les accords de défense avec la France, l'ancienne puissance coloniale. Dans un communiqué lu hier à la télévision nationale, le porte-parole du CNSP a dénoncé cinq accords en matière de défense entre les deux pays signés entre 1977 et 2020, jugeant l'attitude désinvolte et la réaction de la France relativement à la situation intérieure du pays. La France dispose au Niger des forces dites Barkhane, fortes de 1500 hommes redéployés au Niger après le retrait du Mali. Le mouvement M62, une organisation de la société civile nigérienne, a organisé hier jeudi 3 août une marche pacifique suivie de meetings pour soutenir le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie dirigé par le chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani. Euh, cette marche qui coïncide avec euh, la célébration de la fête de l'indépendance de la République du Niger a, débuté à la place Toumon pour un meeting à la place de la concertation en face de l'Assemblée nationale du Niger le mouvement M62 revendique le départ sans condition des troupes militaires étrangères, notamment l'armée française basée au Niger. Il exige également à la CDAO et à l'UMOA la levée des sanctions de toutes les décisions injustes contre le Niger. Après une première sortie ratée lundi soir, euh, le lundi dernier, battu un but à zéro par le Cameroun, les juniors nigériens pour leur deuxième sortie dans le cadre des 9e Jeux de la francophonie Kinshasa 2023 n'ont pas à trembler face à l'équipe nationale libanaise qu'ils ont largement battue sur le score sans appel de 5 buts à 0 au mercredi 2 août au stade Tata Raphaël de Kinshasa en République démocratique du Congo. C'est ainsi que les juniors nigériens qualifiés pour les demi-finales de l'édition 2023 en euh, seront aujourd'hui face au Cameroun, euh, tandis que la seconde demi-finale mettra aux prises le Bénin au Burkina Faso. C'est tout pour le flash d'information de ce vendredi 4 août 2023. Merci Mouktara pour toutes ces informations, chers auditeurs. Comme annoncé tantôt, notre invitée du jour est Mariam Awazir. Elle est actrice comédienne. Avant de l'écouter, Mariam, partons pour une première balade à musique avec le son Monster du groupe MDM Crew. monster levé Toujours au top dans ce game. Dans le moment de paix ou de guerre, on reste debout comme des vrais soldats. rappelle le monster qui lance le game ont tout cassé. Oui, je prends du bon temps, je même pas le temps de vous parler. Aliens, des Ils sous I'm Beat is car, le goût dans la place, tell me what you want. Vas-y, give me baby, Le groupe MDM Crew nous revient cette fois-ci avec le son Monster, un son qui a fait plus de 36 000 vues sur YouTube en seulement deux jours. Oui, Mariam, ce groupe nous surprend toujours. Dommage qu'ils vont nous laisser. Ils comptent bientôt céder la place aux plus jeunes. De tout, euh, tout de même, on leur souhaite bonne chance. À présent, chers auditeurs, nous sommes de retour pour discuter avec notre invité du jour, Mariama Wazira. Bonjour Mariama, <laughs> Muna so mu sani Mariam kaka ne kinka shiga, kinka fara a fina-finai daban dariya. Da salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ok ni na fara haraka fina-finai bon odobi cikin gurupu na zamna wanda ake ce ma kainuwa da shan allah na mitu mhm. baban fele mhm. na na zamna muna haraka wasanni e, lokacin tiyatar muke yi cikin radio mhm. a ne tom da na yi aure kuma na rabu kuma na sake dawowa cikin haraka fina-finai to muna so mu sani fina-finai na kuka to film dai kamar film wanda na yi dai eh, akwai wani da muka wanda ake ce ma niyami mm. an sa shi kanar plus sai in saison shi kuma shi ma dai ina ji mai shi ba sa shi ba mm. an dai haska shi ne kanal olympia to akwai wa'anda muka yi kamar isket isket hakan gana ba da dariya mm-hmm. nan an yi kira na da kalshe ina tare da mr kabba to wurin nan ne dai duka mutane yawa sun hi sani na sai wanda muka yi nan kwana-kwana nan shi kuma wanda ake ce ma dogaro da kai mm. eh. to muna so mu sani yaya aka yi kin sha'awar shiga fina-finai ok to tun harko dai kamin in shiga kainuwa kin san lokacin nan harkar wasannin dandalin suwa yana birge mutum ana wasanni hakan ga kana dan eh, rawa-rawa hakan ga miti ya ganni ina dan rawa kote suna wasannin su sai ce mini ina so in shiga haraka eh, dandali na ce mishi to ban sani ba furle moment da ina da iyayena dole ne sai na taina musu magana in sun yarda ina shiga ya ce min babu matsala muka tai tare da shi muka ma tsohon magana ta ce babu matsala muharin shiga ta kenan hmm. fina-finan niger kadai ne kika shiga koko akwai kaman d'autres pays qui font appel à toi non pour le moment ban fara yin wannan ba nan dai ne nike nan ina yi D'accord, Mariam, on va revenir avec toi. D'accord. <laughs> Mais maintenant, fidèles auditeurs, c'est le moment de retrouver notre collègue Nafisa Adamou Sirfo pour la revue de presse. Bonjour Nafisa. Bonjour Kaya, bonjour Mariam. Bonjour Nafisa. Alors, euh, Nafisa, coup d'État au Niger, la junte procède à la nomination de nouveaux gouverneurs et à la réouverture des frontières avec cinq pays voisins, titre le journal Niger Inter. En effet, il y a près d'une semaine après le coup d'État militaire survenu au Niger, le CNSP a procédé le 1er août à travers un décret à la nomination de nouveaux gouverneurs dans les huit régions du pays, ainsi qu'à la réouverture des frontières terrestres et aériennes avec cinq pays voisins, souligne Niger ainsi, les huit régions du Niger sont désormais sous la coupe des officiers généraux et supérieurs des forces de défense et de sécurité. Par ailleurs, il a été nommé par décret le ministre directeur de cabinet du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et du secrétaire général du gouvernement. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a également annoncé à travers le communiqué numéro 15 lu sur la chaîne de télévision nationale la réouverture des frontières terrestres et aériennes avec cinq pays voisins. D'après ce communiqué, les frontières terrestres et aériennes sont réouvertes avec l'Algérie, le Burkina Faso, la Libye, le Mali et le Tchad pour compter du 1er août 2023. Le président du CNSP a également procédé ce jeudi 3 août à des changements à la tête de la gendarmerie et de la garde nationale, conclut Niger Inter. Intervention militaire de la CDAO, le Niger menace de riposter à toute agression contre le pays selon l'agence nigérienne de presse. En effet, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a menacé ce 3 août de riposter immédiatement et sans préavis d'un des membres de la CDAO en cas d'agression ou tentative d'agression contre le Niger. L'organisation communautaire qui a décrété un embargo contre le pays envisage de recourir à la force pour rétablir le président élu déchu le 26 juillet dernier. Le Burkina Faso, la Guinée et le Mali se sont désolidarisés des sanctions décidées dimanche dernier et ont exprimé leur solidarité avec le Niger. fils partons à Agadez à présent. Fin samedi de la fête du Bianou, la grande manifestation culturelle de l'Aïr, nous informe l'agence nigérienne de presse. Et oui, débutée le 26 juillet dernier, la fête de Bianou a pris fin le samedi 29 juillet dans la grande cour de Sa Majesté, le sultan de l'Aïr, Omar Ibrahim Omarou, indique l'agence nigérienne de presse. Le Bianou est une fête à caractère culturel et religieux qui se déroule aussi bien à Agadez, Carlite et Ingal. Durant des jours, ce sont des centaines de jeunes femmes, hommes et habillés de leurs meilleurs atouts de fête, qui ont rivalisé de danse, qui donne au piano toute la dimension socio-culturelle qu'il renferme, et ce, depuis la nuit des temps. La ville entière et ses environs célèbrent ainsi cette manifestation culturelle et religieuse aux allures carnavalesques sous les rythmes de la Kazam. Deux groupes de danseurs, dont ceux du quartier Est et Ouest de la ville, chacun à sa tête un tambari, ont animé le piano, la grande fête de la musique, de la danse et de la beauté. La fête du piano correspond à l'Ashura, le dixième jour jour de l'an musulman. C'est la fin de cette revue. Merci Nafisa pour toutes ces informations. Passons maintenant à la deuxième partie de notre discussion avec notre invité du jour, Mariama Wazira. Mariama, mun dawo gare ki. Mhm, <laughs> to Mariama muna so dai mu sani film kadai ne kina yi koko kina da wani sana'a wata sana'a koko uh, karatu ne kike yi. Mm, to yanzu dai pour le moment film kawai nake yi. Hmm. banan ga wata sana'a kahin ki fara film fa kahin in fara film bon ina abun gani e, garderi na yi zama mm. na yi wata formation ta garderi na fara garderi apre na saki kuma na je na yi karatu kwamba na bpc na yi bpc hmm. daga baya na yi bpc kuma na dawo na ci gaba da aiki na na film filin kinga da kuke yanzu kuna samun abu wani abu a cikin shi to wallahi alhamdulillah ana samun tun da gaskiya tun da in kana abu kana biya mu kanka bukatoci ba sai ka muka ma wani hannu ba kenan kinga alhamdulillah to da ku har film ya mutane suka doke shi to a gaskiya to kisa kowa da nashi tunani ne gaskiya mutane sun doka sun gani kamar muna nan ga ɓata mu kanmu suna mhm. muna wani abu da bai kamata ba kamar an ɗauke mu mutanen banza mm-hmm. kuma shi kamar aiki ne da aikin da kake so dole ne in ya shiga ranka ka je ka yi shi mm-hmm. tunda aiki duka aiki ne kai ne za ka bata ma kanka aikin ka tunda ko aikin gwamnati kake yi in kana iya bata ma kanka suna tunda akwai hanyoyin da za ka bi ka bata ma kanka suna ba sai an ce wane kaza ne kaza ne ba me in ka rike aikin ka da mm-hmm. zuciya guda duk abin da za a faɗi aikin banza ne eh, kin samu matsaloli a wajen iyalinki wala ban samu matsala ba tunda duk abin da nake yi sai na yi shawara da mahaifiyata in ta mm. bani goyon baya in je in yi ban mhm. taɓa ɓoye mata komai ba duk aikin da nake tun kamin tun ina budurwa ta hannayi armina da ba bisa kai ila yau duk mhm. abin da zani in dai haraka film ne ko bulaguro ne ko kuma wani sensibilization ne ko min duk inda zani sai na yi shawara da ita ta bani hanya in ta ta ce min bani zuwa kun bani ta ya. Mhm. to wani irin fina-finai ne in kina yin kina eh, genre tu te sens heureuse de jouer tel ou tel rôle a rollolin na fi so a bani rol inda kamar zan zama wadda za ta eh, kamar mai hada hakan gakwa <laughs> ya yi birge ni saboda ina jin daɗi in ina yin wannan rol in ina kamar jan hankali ne kwa mhm. yana birge ni kamar ka, ka ba mutum magana hakan ga ka sa shi hanya Kikin rayuwa ma kina son hada ne? A <laughs> ah, bani da waɗani tsoro ma ke gare ni. <laughs> To ta hanyar filmomi kuna gamuwa da matsaloli ko kuma baku da difficulty? shi wannan ba a rasa gaskiya tunda akwai wanda zai zo ya ce miki wani zo ki kama mini mu yi aiki mm-hmm. ku yi aiki tare da shi kuma in ya samu sai ya manta da ki wasu suna duboki wasu kuma shi kenan ba ki ƙara ganin su to cikin harkar fina-finai ina ne kina so ki je mi kika hanje tu veux aller jusqu'où bon a gaskiya eh, ni ina da l'intention que ina yi aure je vais arrêter mm. mm. ina da wannan intention kenan yanzu banca ga inda nake so in je mm. pour le moment dai ina nan ina yin shi parce que ça me plaît mais dès que je me marie, je vais arrêter. Mm oui. To yanzu menene matsaloli ba comment ce qu'on appelle pas euh, côté personnel ou société Minene ne da kika kanta kikin abunga har kan fina fina dai yanayin da yake to yanayin dai shine kaman eh, filmomin da muke yi ne kaman ba mu in kana yin abu baka samun tallafi kenan kaga ko da abun yana cikin ranka baka samun kurashi in ka yi shi me in ana kama muna dole ne muna son abun kuma yana cikin ranmu kenan kin ga mu ma za mu kata mu gudunmuwa abu ya zo cikin sauki kina da kira a wajen mutane da suna sauraron ka ki suna sauraron ki to kiran da zani zuwa ga manyan mutane kamar duka mutane ma zan wanda ke iya taimakawa saboda mm-hmm. gaskiya haraka filim sai da taimako duk sauran kasashen kewaye da suka yi ci gaba mm-hmm. taimako ne suke samu saboda manyan masu kuɗinsu da shugabanninsu su ne ke kama musu har suka zama wani abu suka zo suka kere mu mun riga su hara amma su dan suna samun tallafi suka zo suka kere mu kenan mu ma in an kama muna ba mu iya su kai ba saboda wani idan namu ma ne suke doka su je su aiki da shi mhm. kenan kin ga mu ma in aka kama muna dole ne mu ma za mu yi za mu taka rawar mu to baki da tambayoyi ko to mun gode maryam da kika amsa muna abunga. ni ma na gode da kuka gayyace ni <laughs> Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. de la rubrique Oui, Mariam, nous sommes vendredi et on parle culture. Au Niger, les jeunes de nos jours s'activent à connaître et valoriser leur culture dans une perspective de valorisation. Certains en font un métier et s'en sortent très bien. Ils arrivent à souvenir à leurs besoins. C'est le cas de Tin Abdul Abdulkadri, promoteur culturel et prestataire de services, lié micro de Aïssa Hamadou. Je réponds au nom de Tine Umoru Abdoulaye, connu sous le nom de Manaka. Depuis quand avez-vous commencé votre entreprise L'entreprise, je l'ai créée en 2020. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette activité Moi, j'étais toujours passionné par l'art et la culture. Donc, faisant référence à nos traditions, c'est vraiment cette passion qui m'a poussé à me lancer dans cette activité. Qu'est-ce que votre entreprise propose Notre entreprise propose euh, les différents services comme la décoration traditionnelle des cérémonies, la photographie, la formation en danse traditionnelle et moderne, voilà, etc. Donc on fait beaucoup de choses. Quels sont les avantages que vous avez eus dans votre entreprise Parmi les avantages que notre entreprise a eu, je cite que j'arrive à subvenir à certains besoins et en plus ça ouvre aussi des opportunités à moi et à plus de jeunes. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans votre entreprise et Parmi les difficultés, vraiment, je pas du tout facile. Je cite surtout le manque de moyens de déplacement de matériaux, de décoration et d'animation ici. Vraiment, c'est un lourd fardeau quand tu n'as pas le moyen de déplacement. Et c'est juste qu'on ne peut pas tout avoir avoir un place. Donc euh, voilà, on se débrouille, on se débrouille, mais vraiment, n'est pas du tout facile. Quel appel avez-vous envers vos amis jeunes Et là, j'appelle mes amis jeunes à entreprendre dans divers domaines. Et parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, donc ne pas rester les bras croisés afin de rendre cette jeunesse créative et développeur pour un pays puissant et riche à l'avenir. C'était la rubrique hebdomadaire Fidèles auditeurs. marquant une pause pour savourer le morceau Appel à la paix, un son du groupe Takrist Nakal en collaboration avec le groupe Désert Rebelle. travers cette chanson, ta Christina et des airs rebelles lancent un cri de cœur à l'endroit de tous les Nigériens pour qu'il règne la paix dans notre cher pays. Après cet appel à la paix, on passe à l'écho des régions qui nous emmène dans la région de Difa, plus précisément à Indjimi. Les personnes réfugiées déplacées affectées par le choc climatique et sécuritaire vivant à Gingimi ont une très bonne collaboration avec les habitants de la localité. Ceci dans le cadre de la euh, <laughs> cohésion, sociale et la coexistence pacifique. Cette action va contribuer à ramener la paix et la sécurité dans la région de Difa. Le reportage de Maïna a À Ningimi, dans la région de Difa, les personnes affectées par les crises sécuritaires et climatiques et la population haute vivent en harmonie dans le cadre du retour de la paix. sun zama yan uwanmu muna tare da su muna komi da komi yaran su da yaran mu suna tare ina mu suna tare lakwal nasu in basu da lakwal mu ce dan mina ku basu da lakwal muka sa su muka jayo su muka gama su da yaran mu har suka samu hanyar shiga lakwal su ma uwayen ma muka ja su muka sa su a jiki komi da komi mu yi tare da su har mu sa su ma su yi dan waken su suna da akan layi su samu abin kashi dukan su muna gargadin su kowane lokaci mu san hutar yaro ka san shigar yaro kullum muna gaya musu na danka ya ini ina kwana kasu su tai su bilala abukai raye-raye da biki arme komi ne ne mun jayo su mun sa su jiki tare muke yi uwayen wannan in sabga muka tashi wani bikin mu ko daɗi ko ba daɗi muna kiran su mu sa su jiki dalilin haka su ma sun tashi su mana magana kai bakka ma gane waye gudun hijira waye ba gudun hijira ba quelques réfugiés nigériens vivant à Ningimi s'expriment da muka zo gudun hijira aka kai ni ekol haka eleb ban saba da su ba kullum ina tahiya ina shiga cikin su amma ni ba ce sun rike ni a hannu biyu ni ma ban mai da kaina baya ba ina shiga cikin su ko ban saba da su ba a haka a haka muka saba har muke yin zaman lahiya kuma yara anguwa ma haka da na zo wasan mu muke tare wani abu in ya faru a gidansu ina tahiya su ma suna zuwa a haka muka saba ko ina in muke tahiya ma tare muke tahiya ana zaman lafiya kuma hankalin kowa a kwance kuma ana aure auratayya dan hijira ya auri dan gari dan gari ya auri dan hijira mu yan hijira ba matsala yan gari ba matsala eh abin da muke kira da al'umma kuma ubangiji Allah kara mana wannan zaman taron da muke yi kuma Allah kara mana sabgogin ya ci gaba tsakanin mu da su pour le maire de Ningimi Umar Malam Haladu La population collabore bien avec les personnes déplacées et réfugiées affectées par les chocs sécuritaires. il lance un appel pour respecter les lois du pays. Baki sosai suna da mutunci 'yan gari suna mutunta su hiyar da ake tsammani wannan tun iyaye da kakanni kenan kuma wannan itila'i da ya zo na rashin tsaro ya yi an uwanmu daga wasu wajeje daban-daban wasu daga cikin karkaranmu wasu ƙauyuka daban-daban sun taso sun zo wasu kuma daga wani ƙasa daban ma sun tsallaka sun zo garin wannan gari mai albarka na gegime zamantakewa dai in ka ɗauka babu wani matsala babba saboda 'yan gari ba su nuna ma baki kyama suna zaman su zama na jin daɗi na 'yan uwantaka su bakin kiran da muke gare su kasan duk inda ka zo akwai dokoki na waje ya kamata a ce sun yi kokari sun bi duk wani doka wanda ya kamata a ce ana binta a wajen da ka zo kullum kiran da muke shine a haɗa kai a tahi tare a gudu tare a tsira tare kar a nuna ma wanda ya zo daga wani waje bambanci ko kyama. Rester en harmonie avec ces personnes réfugiées et déplacées contribue au retour de la paix dans la région de difa muna tare da abdullahi mena a kan layi alo abdullahi sannu an tashi layiya alhamdulillah ya aiki da dama wallahi muna so mu sani me yasa ku zabi wannan rahoton eh to malama maryama na gode kwarai da wannan tambaya da kika yi abin da ya ja hankali na wajen zaɓen wannan rahoto na gani kusan mafi akasarin al'umma kanan garin gegime da kuma su waɗannan baki da suka zo bisa kan yanayi na rashin kwanciyar hankali ko kuma sauyin yanayi zuwa nan garin gegime eh, akwai haɗin kai mai ƙarfi musamman bangaren abin da ya shahi auratayya da kuma zamantakewa na aikuwa da mutuwa da sauransu yadda dai zaki gansu baki kusan sanin cewar waye ne ba ko waye ne ɗan gari abin da ya bani sha'awar zaben wannan rahoton kenan. Mun gode maina sai an jima. Ok, masha Allah. à présent accueillir notre chroniqueur sportif du jour, Gourouza Hassoumi. Bonjour Gourouza. Euh, bonjour euh, Myriam, bonjour Ruki. Bonjour Gourouza. Bonjour. Alors Gourouza, on connaît les affiches du premier tour de la Coupe CAF. Oui, Ruki, euh, c'était à l'issue du tirage au sort effectué le mardi dernier au siège de la Confédération africaine de football au Caire, en Égypte. 52 clubs participeront à cette édition 2023-2024 le représentant nigérien, Laïs Douane, croisera le fer avec Calon FC de la Sierra Leone à Machale, à Niami. Ça serait donc le 20 août prochain. Gourouza, nous irons en RDC pour les Jeux de la francophonie où le Niger a fait un exploit. Viruki Hiro Salifu, le compteur nigérien, a remporté une médaille d'argent en compte euh, pour les Jeux de marionnettes L'équipe du Niger a remporté une médaille en bronze. Nous attendons les nouvelles de nos lutteurs et judokas. Donc, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Gourouz Alfaga fait la fierté du Niger. Oui, Myriam, hier après-midi, à l'Open de Taekwondo qui s'est tenu à Moujou. Moujou, c'est en Corée du Sud. L'international nigérien Abdurazak Alfaga a décroché une médaille d'or. Voilà un peu le sport qui s'est déroulé ce jour. Merci Gourouza et merci pour toutes ces infos sportives. Chers auditeurs, il est l'heure de découvrir notre invité, notre star du jour. Oui, Mariam, le portrait de ce vendredi nous amène à la découverte de Hapsatou Rabomato. En année de master option biodiversité, Hapsatou est passionné de football depuis son enfance. Plusieurs fois capitaine de l'équipe féminine du Niger, elle est aujourd'hui entraîneuse de foot et directrice technique du centre de formation de Niamey. Découvrons dans ce reportage, de Farid Bourema. C'est dans l'enceinte de l'école Hampatiba, dans le 5e arrondissement de Niamey, que nous retrouvons Absatou Rabomato. En tenue de sport, crampon aux pieds, Hapsatou entraîne ses joueuses. Le football, c'est sa passion. J'ai joué au football jusqu'à ce que euh, je grandisse. J'ai joué à l'équipe nationale aussi jusqu'en 2016. Euh, j'ai arrêté pour embrasser euh, le coaching. J'essaie de, donner ce que je peux. Parce que quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui a joué aussi, qui sait jouer, qui vient aussi pour le soutenir, on ne peut qu'avoir des filles qui vont beaucoup s'intéresser au football. Au Niger, les pesanteurs sociales rendent difficile le maintien des filles dans ce milieu dominé par les hommes. Absatou se dit confiante. On peut former la fille, elle est bien, ou deux ans, elle abandonne à cause euh, voilà, peu des préjugés, à cause des gens qui voient que c'est un peu ça. Quoi. Je pense qu'avec ces filles-là, on arrive à faire euh, cinq ans. Euh, en tout cas, on aura de, de la relève. Zulha, cette jeune footballeuse du centre Awaf a de grandes ambitions, nous raconte-t-elle. Quand j'ai vu les filles jouer là-bas, ça m'a motivé et je suis venue jouer. Moi, je veux devenir une grande footballeuse et être admise à l'équipe nationale pour faire plaisir aux gens. Construire des, comme exemple, faire construire des hôpitaux, des écoles, tout ça. Dans ce secteur dominé par les hommes, Hapsatou a réussi à se frayer un chemin. D'ailleurs, c'est avec elle qu'a vu le jour l'intégration des jeunes filles dans le centre AWAF, explique son fondateur Tahir Souley. Nous, ici à AWAF, on a aussi la femme. Et ça, on l'a initié grâce aussi à Absatou. Parce que le signe même AWAF, c'est ce que ça veut dire, c'est Académie Wandia Football. Euh, Absatou, c'est une professionnelle parce que la chance qu'on a eue déjà, Absatou à jouer euh, à l'équipe nationale. Elle elle a été plusieurs fois capitaine. Après, elle s'est reconvertie en coach parce que c'est quelqu'un qui est, trop passionnée. elle a été professionnelle durant tout ce temps parce qu'elle nous a aidés non seulement dans la sélection des enfants, mais aussi euh, dans le travail, et surtout sur le plan euh, technique. Merci Farid pour ce portrait. Fidèles auditeurs, on vous laisse découvrir ce son de Master Taf en collaboration avec Ado Konja. DJ Ado <laughs> Rouki Ruki, dans le loti de ce vendredi, nous parlons d'hygiène et d'assainissement. Effectivement, Mariam, l'insalubrité dans certains quartiers de Niamey et d'autres grandes villes nigériennes persiste malgré les actions et les dispositions prises par les mairies. Pourtant, un cadre de vie amélioré peut contribuer significativement à la santé des habitants. Écoutons Zainab Abdou Abdraman et Rabia Mekano. لطي لطي لطي سيبا مريان ifo haunowani gun hamni bobayo e irkoy nafi aran kurano woni hmm hamsun wala wone wora dai na giri iduna ya kan igu bafune kure wone hey irkoi beri amma ni bai gi sine se abon nim du gi bongay feri nan sartara ga bon sinima muska fitin can hey we boro hey we bora bani ni goni ga ni ga mirzi bandino ore fonda no wonno gunanda hey we bora nima fonda wo irkul wonno yadinga bora kulwon no ara mono go yega fonda sar koyni ara ga hmm. una una wane wo kulu nimmo har no kansu kan gunyanga mantiyam sai dana ra wat kuli sin bani gun har zi bayo sobor yam ni sobe ga sai palu da ngaranga wat fondara aha wa sai kai go gentu wat kulu o wat kunno ay gabay makin se may guhumburu ay musko gi yangida inda ninga mara ya dinga wugi su gabar mai me. koy nu mo hankan ni gorg sin su bai nafi Sanka gon kan ya mai kwara gin funai sambu an sari zambar hinkadi wacin di iya september handora san ganji im harzi munu fondai bon dana ngai kan yan borai gitar morgura borkulu kan sankadin tamumu doko gon kai ga jukkanda koyin mo man todin hinnanu borkulu kan dinin boragi hinga koy ci kwaragin funaise ce yan follo no lamba ta kya ihin za ihin za di ta ya dinga ma hagwai koy mu. police kan hagwai da kwara sakoni yanwo iginga kagindi oh omaiti borai dimu ngeno giti borai kanga hagoida iga hatagi windi kurera gidi borai winde meye da fondeimu he voisin yarnga ir koyde gay kara gorga sina isabu kanne mana ito na siri hun kun banda kera banda ai siga harzi mun fondobo niga bay kammo irno him gi kesingi gir won kure hananandi wodimu aga sintino zair winde maye yadin dayno walla ni kan ganin yago ni bora ni tede bugo borfo wani nyaku Let's c'est let's c'est Chers auditeurs, c'était le loti du jour. Dans ce studio, nous sommes aussi en compagnie de Alamino Ouachar pour la culture linguistique. Avec lui, on aura des éclaircissements sur le mot civisme en français en tamashek. Bonjour Alamine. Bonjour. Dévouement envers la collectivité, l'État et à la participation régulière à ses activités, notamment par l'exercice des droits de vote, le civisme se définit comme l'ensemble des qualités propres au bon citoyen, zélé, dévouement pour les biens communs de la nation. Exemple, un bon citoyen doit protéger les biens de sa commune, sa localité, l'infrastructure et autres. À ce moment, mouvementé par plusieurs marches, un bon citoyen ne doit pas détruire les biens de la commune. ou bien les biens de l'État, ou bien les biens communs. دضماج قال معنا انسيفيسم عجزنا رتنقول وينقل لين الدولة فلقنا ويقلن سيفيسم تاكل تيموس أدغدو زاوية ويدن تعديلتنا تي الدولة استارت نر شغلا دار تنقول وين تورنين موسنا حقا شيلات نوليول المعنى سي فيسم أرتم كول وينقلين تاكل شن هوسينين تاقق الدولة فلقنا ويقل ناقاز نرتن نكومين يعني أرتن نكال وين الدولة دغادي أقكال ويلن تيشيت سكنين تيشيت نتورتزل سكنان ستارت نكومين نت تاقاز نرتن نت دنكود يرتكود وزيخ شدن Merci à la Merci à la semaine prochaine. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en hausa, zarma, en tamashek ou fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Écoutons ensemble les messages vocaux de nos auditeurs. studio wanda muka sani da wanda bamu sani ba labarunsu akwai maza akwai mata babu bambanci su kara dai karfin gwiwa akan aikin da suke yi suna na rikaye abdulkadir wallahi muna sauraron labaran studio kalangu kuma muna samun labaran duniya sosai haka nan dai so nake su dan kara lokaci kuma kamar labarin da ake yi na maraice ya kamata a ce aikan shi tun da sai lokacin da radiyoyi suke budewa a fara shi tun da sai ni ne rabi'u buzuzu garin tace kuma sabuwa eh labaran studio kalangu muna shauraren shi yadda ya kamata saboda akwai abubuwa da yawa wanda ake yi a cikin ƙasar mu wanda bamu san da su ba amma ta hanyar wannan labaru muna jin labaru yadda ya kamata kenan abin da bamu san da shi ba ta hanyar radio kalangu insha Allah inda Allah ya garanta muna shauraren shi cincin karfi wallahi to yanzu abin da nake so su dan kara kamar daga lokaci bi saboda muna samun abubuwa da yawa ta radio studio kalangu fi sabilillahi akwai abubuwan da bamu san da su ba amma ta wannan labaru nasu to gaskiya muna jin daɗi cincin karfi tafi wallahi da ke cikin ƙasar ku komi da komi kuna shaurare kai na ƙasar duniya ma duka gaba ɗaya kuna shaurare kawai eh kaji abin da zan ce ma malam sa'idu amina haruna wallahi ina sauraron shi gaskiya suna da ƙayatarwa domin allah in ba dan haka nan ba wani labarin ma ba kajin shi in ba ta nan ba tun da gaskiya abu ne mai amfani mai inganci wanda ake bukata cikin ƙasa ana son shi su ƙara lokaci assalamu alaikum ni ce na simisin kore eh gaskiya ne sa'idu labarin nan na studio kanangu wallahi suna karatar da mu mu wannan jin daɗin mu ne da Allah ya sama har rediyon nan tamu ta samu nan karin garat ko ina a halba yau in aka yi labaru kaji ta abin da yawan zai cikin ƙasa kana saurare to ai shine komi kuma muna fatan Allah kara musu hazaƙa yanzu abin da nake so su kara ni inda Allah ubangiji shi ke yin komi shine ke yi fatan da nake musu ubangiji Allah kara musu hazaƙa kara musu ilimin ƙara ci gaban wani abu in akwai wata rediyoyi ma ke can ƙauye su ƙara kai mu can wa'anda san nesa gabas yamma ko ina su zama na daidai wallahi muna koya musu ba muna ci godiya ko da ke tare da su ma Allah rufe asiri malama badariya ibrahim ina sauraron radio studio kalangu yana katar da mu sosai eh suna labaru abin da yake wakana cikin ƙasa baki daya kuma yana wannan labaru da suke bada suna kayatar da mu muna jin daɗi tunda wasu suna da kurakurai sosai in suka ji suna gyara al'amuran C'était là les messages vocaux envoyés par nos auditeurs. Si la technique est prête, fidèles auditeurs, nous allons écouter un son qui va réveiller votre esprit patriotique. Il s'agit du morceau Niger du feu Habsgarba. so hebdomadaire Studio Kalangu, c'est aussi et surtout la grande édition du soir, le journal en cinq, en langues et notre forum quotidien. Et justement, nous sommes avec Nafisa Adamou, notre collègue chargée de présenter le journal en français. Bonjour Nafisa. Bonjour Mariam. Quels sont les grands titres de ce soir Ensuite, alors, euh, dans nos éditions du soir, il sera question de la levée hier 3 août par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie du couvre-feu instauré après la prise du pouvoir ainsi que de la décision de mettre fin aux fonctions de quatre ambassadeurs du Niger accrédité après auprès de certains pays. Ensuite, vous entendrez l'entraîneur du MENA U20 qui se réjouit de la qualification de son équipe au demi-finale des Jeux de la francophonie de Kinshasa en battant le Liban par 5 buts à 0. Le magazine mettra l'accent sur une pratique traditionnelle Zerma appelée communément en Zurebongo qui consiste pour les jeunes prétendants de faire des cultures collectives pour leur future belle famille. À partir de 18h15, interviendra le Forum de la presse, le décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève. Rendez-vous à 17h. Merci Nafissa. Nous sommes à la fin de cette émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Marie Madé et moi-même et Top Draman. Merci de rester scotché sur nos zones de nos radios partenaires. Le rendez-vous est pris pour lundi avec un nouveau numéro et un autre duo. La technique était assurée par Isaka Seni et Adam Adawaki à l'édition. Très bon après-midi.